de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chers auditeurs et Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela Ousseni, alias Seno, et à mes côtés, Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou, comment tu vas Je vais bien, Seno, et toi Ça va, Alhamdulillah. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, Salamotou, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons l'artiste Ayman, un jeune artiste, rappeur très très talentueux qui fait partie parler de lui au Niger et à l'international. C'est nous, dans ce numéro, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène à Filengue, région de Tilaberi. Il y aura également la rubrique Écho hebdomadaire consacrée à la justice, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport Eh bien, à l'édition, nous avons Khadija Isaka et la technique est assurée par Abdulkader Chambiano. Chers auditeurs, on débute euh, cette émission avec le flash d'information présenté par Rafika Atta. Rafika, bonjour. Bonjour Salamatou. Tu as quoi pour nous ce matin Alors pour ce matin, la CDAO poursuivra ses initiatives diplomatiques en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger sans compromettre l'option du déploiement de la force régionale en attente, a déclaré le président de la commission de la CDAO, Dr Omar Ali Touré, lors d'une conférence de presse à Abuja le vendredi 25 août 2023. Il a en ce sens déclaré que l'option militaire a été décidée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement afin d'endiguer la contagion des coups d'État suite aux trois tentatives réussies et aux trois échecs de coups d'État de la région. Selon lui, l'action militaire envisagée au Niger n'est ni une déclaration de guerre ni une invasion extérieure, mais découle d'une décision des chefs d'État qui se sont appuyés sur les textes de l'organisation communautaire en la matière. Avec la campagne agricole 2023 suite à l'alerte d'une invasion de Sotorio dans les champs donnés par le chef du village du Badergoula Zongo le vendredi passé auprès du service départemental de l'agriculture du Dakoro, région de Maradi, le directeur et son équipe ont apporté une réponse rapide après prospection et ont mis en disposition des produits et des appareils de traitement pour pallier à cette invasion des Sotorio. Enfin, bientôt la mise en place d'un secrétariat conjoint tripartite de coordination des actions du Niger, Mali et Burkina Faso pour coordonner leurs actions afin de faire face aux situations et défis multiples auxquels ils sont exposés. Communiqué conjointement signé par les trois pays et publié jeudi 24 août lors d'une visite de travail au Niger de la déclaration de la délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali. Ce cadre de concertation reste cependant ouvert aux pays qui souhaitent participer à cette dynamique afin de répondre aux préoccupations et besoins de leur population en matière de paix, sécurité et développement économique et monétaire. Sa mission essentielle sera de coordonner les actions de trois pays dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent qui sévissent dans ces trois pays, de l'économie et de la politique, et avec pour but d'impulser et de dynamiser la coopération entre les trois pays pour les hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à une souveraineté pleine, à la paix, à la sécurité et au développement, indique le communiqué. Merci Rafika pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé en début d'émission, nous recevons comme invité dans cette émission l'artiste Ayman. Il est artiste, rappeur, compositeur. Bonjour Ayman. Bonjour comment tu vas Ça va bien. Merci de nous honorer de ta présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons de votre carrière musicale. Mais avant de vous donner la parole, écoutons d'abord ensemble euh, le tout dernier de tes titres. Il s'agit du titre La Rage. On écoute. Je sais que t'as peur, man. Je sais que t'as la man. man, tu connais la du Je suis plus à présenter, assassin de ta carrière et aussi de ton équipe, agent causa de la mer. Plus dangereux que la peste, j'ai laissé aux environs les M6 mourant de haine lorsque j'ai pris les commandes. Arrêt cardiaque, toutes les mains à l'air, ceux qui ne sont pas à terre, là je viens vous foutre la merde. J'ai vu l'enganer, des galères dans l'underground. Ces 8 ans d'underground ont permis d'être au-dessus. L'État a fait de moi une sacrée machine de guerre, légendaire de ces terres. J'ai paraché du flow, toi tu balances que du faux. Eh, et même sans tape j'ai fait tellement de gaffes que ma tête est mise à prix par le boss du pays. eh Laisse-moi te dire, je suis pas comme le vent. Quand je passe, je laisse des traces. Je suis une bête des scènes, tous les gars ont peur de moi. Je suis un boss des boss, je bosse avec les boss, des boss parmi les boss, ma nigga. man nigga. Man nigga. I hear the microphone, my nigga. Singing is my passion. be just mission. I'm singing for my nation. là de merci. J'ai dit ce que je vois afin de voir ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit est vrai et tout ce qui est vrai me croire Je suis représenté, c'est quelques rescapés du temps. Je n'ai que dans ma tête la mission de mes débats Sans faire de tas pour causer beaucoup de gaffes. Je suis pas solitaire comme le cousin Ben qui vit seul au bord du fleuve. Je te présente mon staff. Je vais, je viens, je vois, je peux, je viens, je vois ce que je vais. J'avance avec ou sans effet. Quoi que tu fasses, c'est sans effet et pas Épargne-moi les comptes de cause du son, les très épais. Non mais dis donc, ma nigga, qui fait ce son Inspiré du marathon, aussi dur que du béton. Manager du peloton dans la zone baissée des tons. Tous pour bouche à chaque ton, les man nigga. ma nigga, ma nigga, man nigga. Le bout, c'est capitaux. J'ai fionné les caniveaux, pas de magot, l'oseille me faisait défaut. Tout était flou, j'avance comme un fou. Oui, j'ai la fou, j'ai failli me casser le cou. Aujourd'hui à Niamey, je viens tout animer. J'ai rien de Watibé, non, non, ça les fait. Ah, ah. comme les talibés, j'ai tout calibré. Fait des mini-kiri pour militari, militari. J'ai nourri bonhomme, j'ai guéri, souris, c'est ça. Le fait. Tu sais, le rap Mais pas seulement à faire de sap. C'est jap, chap souvent, des ventes zap. Mais moi, je tape les saps, des clap, clap. C'est comme dame, je dame mais tu contentes. Les tam-tam frappe, le poussin tape. WhatsApp, nigga, c'est comme pap. Niggas, bitches, witches, c'est pas péri. tu vois des mini même me font la guerre, je m'en tape. Tu veux me faire la guerre, nigga, c'est mon rap. Niggas, bitches, witches, ici ça rap man. T'as la tête usée, t'as la tête usée, t'as la tête usée, man. J'ai les textes easy, t'as des plombs pétés, t'as des caps pétés. Donc t'as les fausses IV, t'as la FOI thèse dans tes manières. J'ai la FORCE pour décaler. Pas de shit, tu utilises dans mes bises. Moi je suis en piste, je touche pas au cannabis. Les M6 de Niam ils font la clé de mon dos. Ils connaissent ma vraie valeur, ils savent que je suis le top des tops, le sommet de tout sommet. L'arme a fait du rap d'Afrique. Okay. Trop de choses se disent dans les coins de ma cité. Par les faux qui ont la haine, dans mon dos ils disent des choses qui me rendent encore plus fort. Écoute, négo, t'es coulé, roulé, mouler, foulé, poulet, hey, ça y est, t'es boosté. Ibeno, Ibeno, Ibeno, Ibeno, eh, Ibeno, Ibeno, Ibeno, Ibeno, Ibeno, Ibeno, Ibeno, Ibeno, eh, Ibeno, Ibeno, Ibeno, yeah, yeah. Chers auditeurs, c'était là le Twitter rage de l'artiste Heyman qui est avec nous dans cette émission. Alors Heyman, bonjour. Bonjour, comment vous allez Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre échange, parlez nous un peu de ce titre, La Rage. La Rage, euh, c'est un freestyle. Ok. C'est un son où il n'y a pas de refrain, c'est ça qu'on nous, appelle un freestyle. Donc euh, c'est une démonstration de force. Mm. Euh, c'est pour dire à tous ceux-là qui pensent que le phénoménal ne rappe qu'en langue, que j'ai choisi de rapper en langue. En fait, c'est pas une obligation, c'est un choix. Mm. Mais ça veut pas dire qu'on ne parle pas en français, qu'on ne chante pas en français aussi. Donc c'est juste pour leur montrer <laughs> qu'il y a tout ce potentiel-là en fait. Super. Alors Ayman, dites-nous comment avez-vous euh, découvert votre passion pour la musique et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir rappeur Ok. Euh, en fait, j'ai pas découvert ma passion pour la musique. La musique, elle est en moi. Je, n'ai pas choisi d'être musicien et je, je me suis retrouvé dans la musique comme ça. Mhm. Et c'est vrai que j'avais été inspiré par des grands tels que les, les Best Cosa Nostra, les, les Haske Clan mhm. et les La Calcane et autres. Mais, mais euh, la musique, ce n'est pas. En fait, je suis obligé. C'est comme si on m'oblige à le faire. C'est pas un truc que je choisis de faire comme ça. Non, non, non. Je, suis, je me suis retrouvé là-dedans. La musique, elle est en toi, tu Elle en moi. est, en Elle est en moi. Et quelles sont vos principales sources d'inspiration Vous venez de nous dire euh, eh, pour vos paroles et pour vos musiques, ça vient d'où Oui, euh, l'inspiration, moi, ça me vient de partout. Je peux être là sur ce plateau aujourd'hui. Ne, ne soyez pas étonné que je quitte avec une inspiration qui vient de vous. Il suffit d'un mot, il suffit euh, d'une parole pour que quelque chose m'inspire. Donc, moi, l'inspiration, je l'obtiens de partout, en fait. Je ne l'ai pas que dans une chose, mais partout. Tu piques partout, alors. Un peu partout. Tout ce que tu vois, tu prends. <laughs> Tout ce que je vois, je ça, c'est Et j'en fais, et j'en fais, et j'en fais un truc original avec. super, super, il n'y a pas de souci. Alors, euh, euh, avant, avant de poursuivre nos échanges, Hayman, marquons une petite pause musicale pour écouter encore une fois de plus l'un de vos morceaux, euh, qui est très connu d'ailleurs. La préférée aussi. Hein. Exactement, des, filles. Alors là, je comprends déjà quoi. Alors, le <laughs> titre, ça donne tout simplement Marraine. On écoute, cher auditeur. Yes, Ayman. Calle me libero. Nicky Larson. Moi j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Aïman a besoin de toi. Que ma reine je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Bébé viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule qui me prend peine. Ouais, l'unique, c'est pas ma reine. Eh bébé, ben, c'est toi ma reine. Uh-huh. Celle qui me va bien. La seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est pas ma reine. Hi man, mesdames et messieurs, en direct du studio Kalamu. haba chini keman kani nina sani ga bagay ngwara kay gate si yegay tan kulu ken ga koy masi koy gay nan ba kasine you know kan ga kan mahanni wana tinu sewa nan kulu kan nani go hey ay tini bako chimi Nankolo canonico, Ageni Keiki, c'est ta marraine. Celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, te lyrique, c'est toi ma reine. C'est ta marraine. Eh oui, à toutes les reines hein, qui, me sont à l'écoute. La seule qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. C'est ta reine. I'm uh-huh. in love with your body, baby. love with your body. Yeah. I'm in love with your body, baby. I'm in love with your body. My love for you never over. Kana ganchi bisafonda. Zuchi yatataka oda. Kana na san kesifanda ninna. I go buy you Ferrari. Yes. Everything I go carry. Uh-huh. I go pay Maserati. Ouais, ma monnaie de plenty, Celle qui efface mes peines. La seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Belle, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien. La seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, l'unique, c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine ma reine, c'est toi ma reine, c'est toi ma reine, c'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. moi t'es le c'est toi ma reine. Nous sommes au studio Calamity. Ah oui. <laughs> De retour au studio avec euh, notre invité, Haïman. Haïman, merci. <laughs> Alors Haïman, quelles sont les difficultés auxquelles euh, vous faites face dans la conduite de vos, dans la conduite de votre carrière musicale et comment faites-vous pour les surmonter? Ok. Euh, je pense que nous sommes sans le savoir que nous sommes au Niger mhm. et que le Niger, par exemple, n'a pas signé la Convention internationale des droits d'auteur. Euh, le statut de l'artiste au Niger n'a pas été adopté, ça n'a pas été adopté, ça n'a pas été mis en, vigueur et tout ça là. Donc ça, c'est un des principaux problèmes que rencontrent les artistes au Niger, parce que tu ne peux pas être artiste et ne pas bénéficier, par exemple, euh, d'un statut qui te permet de gagner ta vie euh, musicalement. Mhm. Euh, tu vas au Bénin, tu vas au, Burkina, partout. Par exemple, avec les histoires de YouTube et tout ça, là, yes. les artistes arrivent à, à se retrouver. Mais le Niger, les Nigériens, non, parce que le Niger ne fait pas partie de ceux qui ont signé cette convention-là. Donc ça, c'est un problème très sérieux je veux que, auquel moi je veux me tenir pour ne pas parce que je n'ai pas, on n'a pas toute la journée pour que je vous cite tout. Donc, on pense que d'ici là, le statut de l'artiste sera vraiment euh, voté et mis vraiment en, vigueur ici au Niger pour que vraiment les artistes arrêtent de souffrir et qu'ils arrivent à vivre de leur art en fait. C'est ça le point principal. Exact. Alors, euh, je veux revenir un peu sur le titre Marraine, parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé un peu de vos sources d'inspiration et vous avez dit que euh, l'inspiration, ça vient de partout. Alors, par rapport à Marraine, est-ce que c'est ta reine qui t'a incité à, produire ce titre euh, Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Ok. Je ne dirais pas non, puisque j'avais écrit cette chanson-là. Elle était là, devant elle. Je la regardais, j'écrivais la chanson. Mhm. Mais je pensais aussi à d'autres qui vivaient comme moi. Euh, des gens qui ont des reines telles comme la mienne. Et des reines euh, qui nous inspirent. En fait, je parle de la femme en, général, et non pas que d'une seule femme. Merci. <laughs> Alors, euh, de votre début à aujourd'hui, vous avez produit combien de titres ou disons combien d'albums euh, j'avais fait une présentation d'un double album. Mhm. et je te dirais que j'ai au moins 18 euh, titres. 18. 18 euh, titres, ça s'applaudit. Sinon plus, merci. <laughs> Sinon plus de 18, hein. Mhm. disons 18 à 20, peut-être comme ça. Donc euh, j'ai venu un seul album mhm. parce que le staff avait dit euh, qu'il ne fallait pas faire sortir les deux albums en même temps. Sinon, moi j'avais voulu faire sortir les deux albums. Mhm. Le staff a décidé de faire sortir un seul album. Je dirais un big up à parce qu'il était là, il était dans le staff. Il était même, il était même parmi ceux qui avaient dit Ah non, c'est trop, c'est trop. Mais voilà, on avait ça comme ça. <laughs> et, ça. comment vous voyez l'avenir de la musique urbaine au Niger euh, Quand vous me parlez de la musique urbaine au Niger, moi je pense que je vais parler du Niger. Parce que mhm. le Niger est en train d'avoir un avenir très radieux qui se dessine déjà. Super. Donc, une fois que le pays marche, on euh, n'en parlons pas de la musique seulement, c'est tous les secteurs qui vont marcher. Donc, bientôt, je pense qu'on va prendre d'assaut le monde entier, Inch'Allah. En tout cas, nous le souhaitons de tout cœur. Ayman, pour ceux qui aspirent à devenir rappeurs, avez-vous des conseils ou des mots d'encouragement à partager avec eux la seule chose que moi je n'ai jamais soutenue, c'est hmm. que les gens pensent, enfin, euh, je n'aime pas que les jeunes se lancent dans cette affaire. Mhm. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas qu'ils se disent essentiellement qu'il faut la musique, en fait. Mhm. La musique, euh, moi, pour moi, je pense bien que c'est secondaire. Quand je dis secondaire, ça mhm. veut à dire qu'il faut avoir quelque chose de principal à faire, tel qu'aller à l'école, d'avoir étudier, avoir un bagage, euh, tu vois. Ça, c'est important. Donc, après cela, je les encouragerais à vraiment aller dans la musique. Mais qu'ils obtiennent d'abord leur diplôme et là, voilà. Ok, avez-vous un message à adresser à l'endroit de tes propres fans Ouais, pour mes fans, pour mes fans, ils savent le mot, il est toujours le même, euh, c'est le phénomène, je suis là toujours et que je me prépare déjà. Mhm. Mes fans, ils savent que nous, nous sommes, euh, enfin, on, ne blague pas, il y a toujours des choses qui se dessinent, qui se préparent toujours. Donc pour mes fans, je leur dirais d'attendre juste un peu, d'avoir la même patience qu'ils ont eue. Et bientôt, j'ai dit bien qu'on va faire bouger un peu cette. Il y aura euh, des surprises. Beaucoup de surprises. Bon, ça, c'est pour vos fans. Et maintenant, pour, euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que tu peux. tu Peux, qu'est-ce que tu peux nous préparer comme ça, un truc comme ça sur place Un truc. Pour Kalangu. Voilà, <laughs> pour Kalangu. Parce que eh. l'inspiration vient de <laughs> partout. ok. Alors, alors. Nous sommes au, nous sommes au studio Kalangu. Uh -huh. Je suis avec, c'est mon frère, man. Yeah. La sœur, elle est, elle est belle, man. Yeah. Qui vient, le studio est équipé. Yeah. C'est de l'impro. On connaît pas. Irigo Salano, Irigo Godonuno, Nugogo Kobese, Agogo Godonese, Agogo Harese, Uwa Agakanese. Phénomène. man, mesdames et messieurs. <laughs> C'est le délire, quoi. Merci, merci, Ayman. Merci, merci infiniment, Ayman. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, mais également d'avoir répondu à nos questions. Tout le nous, vous, souhaitons bon vent de la carrière musicale. Bon, on fait, euh, on fait une petite pause et on revient après. Qu'est-ce que c'est que les droits à l'image Les droits à l'image désignent les droits dont dispose toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Mais qu'est-ce que l'image eh, mais direz-vous Très simplement, l'image désigne la représentation visuelle de la personne il s'agit de la représentation de ses traits, de sa physionomie, etc. Et le principe est que chaque personne bénéficie d'un monopole sur son image. Chaque personne est donc libre d'accepter ou de refuser que son image soit utilisée, diffusée, publiée, etc. Dans quelles conditions une personne peut autoriser l'utilisation de son image Il faut eh, donc une autorisation pour utiliser ou pour diffuser l'image d'une personne. Et l'autorisation d'utilisation de l'image d'une personne doit respecter certaines conditions. D'abord, l'autorisation peut être écrite, elle peut être orale, elle peut être tacite, elle peut également être expresse. Il n'y a pas de forme particulière à cet effet. Ensuite, l'autorisation doit être donnée à titre gratuit ou à titre honoré Ici, donc, euh, l'image peut faire l'objet de cession, de contrat de cession, et donc euh, être utilisée à des fins lucratives. En outre, l'autorisation doit être donnée dans le respect de la dignité de la personne et de l'entreprise. Et enfin, l'autorisation peut être limitée à un usage bien défini. Par exemple, un tel vous autorise à diffuser son image seulement dans un groupe Facebook, mais pas dans le groupe WhatsApp y a-t-il des limites au droit à l'image Le monopole conféré par les droits à à l'image comporte effectivement des limites. En effet, le droit à l'image doit se concilier avec le droit à l'information. La première limite concerne tout d'abord les personnes publiques. Ici, le droit à l'information implique que dans certaines circonstances, les personnes célèbres perdent leur droit à l'image à raison de leur statut, par exemple les légendes de football, les hommes politiques, etc. La deuxième limite correspond à la captation de l'image dans un lieu public. Il est possible de diffuser une image captée dans un lieu public si cette image n'isole pas une personne facilement identifiable. Et la troisième limite concerne les événements historiques. En effet, le fait euh, d'être présent euh, à un événement historique ou un événement d'actualité implique d'accepter que son image soit utilisée à des fins d'illustration de l'événement en question. Et ici, la seule limite posée par la jurisprudence est que la diffusion de l'image soit dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu'ainsi elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée. Donc de manière générale, une personne ne peut s'opposer à l'utilisation et à la diffusion de son image si eh, le public a intérêt légitime à être informé. Quelles sont les sanctions applicables en cas d'atteinte au droit à l'image les atteintes au droit à l'image sont sanctionnées. La jurisprudence prévoit des sanctions civiles. Le juge peut donc, euh, en cas d'atteinte au droit à l'image, eh, prononcer des dommages et intérêts au bénéfice de la victime d'atteinte à son droit à l'image. Le juge peut également prescrire toute mesure propre à faire cesser l'atteinte au droit à l'image. Par exemple, euh, la saisie Chers auditeurs, vous avez compris, c'était là la rubrique hebdomadaire qui traite, qui traite les droits à l'image, les conditions d'utilisation de son image, les limites au droit à l'image et les sanctions en cas d'atteinte au droits à l'image. C'est une interview de Abdurrazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou, qu'il a, qu'il a accordé à Tarnan Foudé Ahmed. Chers auditeurs, prenons encore une petite pause musicale avec cette chanson traduite moderne de l'artiste Lakako qui nous chante Dunia. Et oui, chers auditeurs, Dunia est le titre que vous êtes en train de kiffer de l'artiste fait Lachako. Huit ans qu'il nous a quittés, le chanteur-compositeur Seydou Ide dit Lachako Mega. Lachako était déjà dans le studio pour son troisième album quand la mort est venue l'arracher à notre affection suite à un palu. Après un passage dans plusieurs groupes de la capitale dont Samarie Nouvelle Formule, il fonda le groupe Bazara Band avec le guitariste arrangeur Gambo, le bassiste Bob, le batteur Steve. Latiako a marqué la scène musicale nigérienne avec les titres Kiri, Sherifa, Gawize et surtout Dunia où il chante la mort. auditeurs, c'était le titre Dunia du feu l'artiste Lachako Maiga. Place à présent à l'écho des régions, sinon on va où oui, Salamatou, le reportage en région de ce jour nous amène à découvrir la gratuité de référencement euh, au niveau du district sanitaire de Filingue, région de Tilabéry. Les évacuations sanitaires constituent un problème pour les autorités et les populations, particulièrement en milieu rural. Le système de, gratuité des évacuations initié par le strict sanitaire pour soulager les populations risque de connaître un arrêt d'ici peu si toutefois des mesures ne sont pas prises. Quelle alternative pour maintenir les acquis du système Réponse dans ce reportage de Abdoulaye Bakassia à Filengi. La mise en œuvre de la stratégie du système de gratuité des évacuations des malades au district de Filenguier a été adoptée au cours d'une assemblée générale des différents acteurs du secteur de la santé. Cette démarche consiste à collecter 200 francs sur chaque malade admis dans un centre de santé comme centime additionnel, dans le but d'améliorer la prise en charge des évacuations, comme l'explique le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Flingué, Dr Nankaswa Abdou. On a demandé lors d'une assemblée générale départementale de contribuer à la hauteur de 200 francs à travers les récits pour la catégorie payante, ça veut dire que les adultes donc en dehors des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Après, c'est qu'on a arrêté car la somme ne pouvait pas supporter les évacuations. Donc euh, l'AG encore a décidé après de mobiliser une somme à travers vraiment les bonnes volontés pour euh, alimenter la caisse. Ce qui nous a permis en tout cas d'assurer vraiment une évacuation de tous les malades qui ont besoin gratuitement. La gratuité des évacuations sanitaires au niveau du district sanitaire de Filengue a contribué significativement à l'amélioration de la prise en charge des malades, même si le processus n'est pas bien compris des bénéficiaires. Madame Abdou Barke, ménagère à Gao, témoigne. muna zuwa likita muna ba da 40-40 ba mu san abin da aka yi da su ba likitoci kuma ba su faɗa muna abin da aka yi da su ba amma dai na zuwa likita da ɗanɗana ambulas ta zaka ta ɗauke ni an ka kai ni hilingi ba su tambaye ni kuɗin mota ba ba su tambaye ni komi ba na yi mamakin abin da an maharin haka nan ba a tambaye ni ba Pour Boubacar Illo président du COGES du csc de Luma les fonds collectés dans cette démarche sont d'une importance capitale pour les populations dala arba'in arba'in da ake bada cikin likita babban unhwani ne gare mu talakawa tunda akwai lokacin da in ka likita hospital in an ka ce a iza ka ta hanya mai to kuɗin man da za a ce ka kawo na a iza kaka ta hanya mai yin nan baka da su amma waɗannan kuɗin da aka tara lokacin da akwai kuɗin sai a iza ka mai kai baka san da waɗannan arba'in arba'in da sha ka bada su can cikin likita ku ta ƙauye ba in an ka tambaya cikin garuruwa yana yiwa in kai baka ta yi ba wani ya tahi wani ɗan uwa ya tahi ni na yi ganin amfanin dalar nan arba'in da gangalin da ma muka biya. Une assemblée générale a été organisée avec les différents partenaires du district sanitaire afin d'évaluer la mise en œuvre du système de référencement et aussi de dégager les problèmes et faire des propositions en vue de la consolidation et la pérennisation des acquis. Docteur Dankaswa. Et la consommation en termes d'évacuation a dépassé vraiment c'est qu'on arrive à recouvrer. Donc, ce qui fait qu'on était obligé récemment de tenir une assemblée générale départementale pour arrêter une nouvelle conduite à tenir. Donc, euh, le ressort de cette nouvelle conduite à tenir d'augmenter 20% des frais d'évacuation, en dehors des femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. En dehors de cela, s'ajoute aussi euh, le prix des gazole qui a augmenté en août 2022 de 540 euh, francs le litre à 668. Ça a aussi contribué à rendre vraiment la caisse un peu maigre. En vue de la satisfaction constatée des populations par rapport à cette stratégie du système de gratuité des évacuations du district de Filingué, il est plus que nécessaire de le renforcer. Voilà, cher auditeur euh, reportage signé Abdoulaye Bagassa qui est déjà en ligne avec nous. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Peno, ça va Ça va bien. Et de l'autre côté, ça va Oui, ça va, on ne se plaint pas, Dieu merci. Super. Alors Abdoulaye, dites-nous, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir euh, ce sujet To, euh, sai no abin da nake son dan euh, ba da bayani akan wannan tambaya ta haka wato abu wanda ya zo daidai lokacin da ya kamata a yi magana akan shi saboda wata matsala ce babban gidan likita ta shiga hmm. biyo bayan wani kokari da suka yi na kawo sauki ga mutanen karkara ta fannin karɓar dala arba'in arba'in wanda suka samu suka tara a tsawon shekara uku suka samu har miliyan goma sha biyu mm. wanda a cikin shi ne suke ɗaukar nauyin duk waɗanda suke yan malatin da ya kamata a ɗauka a kai a yi musu agaji kamar wanda ake ɗauka da ƙauye a kai silingi ko wanda ake ɗauka da filinji a kan yamai eh. to abin sun kwasa da yawa tunda wani lokaci sun fara ah, mata masu cikuna da yara kankana sai mhm. suka ce za su yi na gaba ɗaya to kawowar na gaba ɗaya nan shi ya kawo abin da suke ashe da shi ya kusan ƙarya saboda ana ɗaukan mutane da yawa mm. misali cikin wanga lokaci da muke da ake samun hatsari bisa hawan moto da motoci da sauransu abin da sun ka aje ba za shi ba su damar ba su ci gaba to sai muka ga kuma idan aka dawo a ce mutane su dinga biya abin zai zama masu matsala tsakaninsu da al'umma wajibi ce na muyi magana saboda mutane su gane rumbur da aka yi ya kare kenan wajibi sai an sake sanya hannu aljihu ko a kirayi waɗanda suke magabata da masu hannu da shuni da su kawo tallafi don saboda wannan abun mai unhwani al'umma ci gaba da yin shi. Ok. To, merci beaucoup Abdullahi. Merci. Mun gode sosai. Mun gode. Allah kyauta. Amin suna. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était le reportage en région. À présent, attaquons la page sport avec notre chroniqueur sportif Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Bonjour Sino, bonjour Salamatou. Bonjour Gourouza, le TGV de Talagé a pris fin ce dimanche. Oui, Salamatou, la finale de la 18e édition du tournoi des grandes vacances de Talagé a été remportée d'ailleurs par le club de Calcio devant AS Medresa, c'est le score d'un but à zéro, but marqué par Victorien Adebaor qui a été d'ailleurs premier meilleur buteur du tournoi. Le meilleur joueur de cette compétition est revenu à Abdoulaye Adamou. La finale a eu lieu devant les responsables du foot nigérien et d'un public venu nombreux. Ok Gourouza, après le TGV, nous partons à Dosso pour euh, l'AG, n'est-ce pas, de l'entente Football Club. Oui, sinon, euh, le tout nouveau président de l'entente Football Club de Dosso s'appelle Umaru Shekaraou. Il a été élu hier dimanche 27 euh, août à la tête de cette équipe qui a fait d'ailleurs la fierté de Dosso. Mhm. Outre l'élection du président, plusieurs acteurs du foot dossolais ont été élus euh, pour la destinée de cette équipe de la cité de Charmakoy. Grouza, l'Arabie saoudite accueillera la Supercoupe Coupe oui, la Confédération africaine de football a annoncé que l'Arabie saoudite sera l'hôte de la Super Coupe CAF, la Confédération africaine de football édition 2023, le 15 septembre prochain, entre Al-Ali de Caire, vainqueur de la Ligue des champions, et Usman Alger, vainqueur de la Coupe CAF. La finale aura lieu dans la ville de Taïf, au stade King Fahd. Merci beaucoup, Grouza. Après le sport, allons découvrir notre star du jour, n'est-ce pas, nous Oui, tout Aujourd'hui, le portrait du jour nous amène à la découverte de Safi Sidikou, un superviseur euh, des personnes qui nettoient les rues de Niamey, un métier à travers lequel elle arrive à subvenir à ses besoins. Samira Rouafi nous dresse son portrait. Âgée de 47 ans et mère de 6 enfants, Madame Issa n'a jamais été à l'école. Aujourd'hui, elle est superviseure d'un groupe de personnes qui nettoient les rues de Niamey, un métier qu'elle exerce depuis 2017 dans une société appelée Balaribe Assainissement. Elle raconte les raisons qui l'ont poussée à exercer ce métier du lundi au vendredi. <laughs> Les raisons qui m'ont poussé à embrasser ce métier, c'est le manque de moyens. Au début, nous nous sommes rendus à la ville de Niamey. On n'a pas été embauché, puis on est venu ici à la société Balarabe Assainissement et on m'a engagé. Ils m'ont dit d'amener 26 personnes pour les embaucher. Les mêmes jours, j'ai pu rassembler 31 personnes et pour ça, ils m'ont engagé comme chef d'équipe comme prévu. Vu que nous sommes nombreux, ils nous ont partagé par équipe de 20 personnes. J'ai commencé à nettoyer le rue du Petit Marché. Maintenant, je suis sur le rue du rond-point 6e. Chacun veut que sa rue soit plus propre que pour l'autre. Tu ne veux pas qu'on trouve ta zone sale. À la fin du mois, on nous paye. Malgré les efforts fournis, les femmes qui font ce travail rencontrent des problèmes avec certains usagers. Le problème qu'on rencontre avec les usagers, c'est les ordures qu'ils jettent dans les rues. À part ça, il y a aussi d'autres conducteurs des véhicules et des motos qui nous frôlent. Tu sais, d'autres conducteurs ne respectent ni nous ni notre travail. Ça fait pas longtemps, une personne de mon équipe a été frôlée par un conducteur de moto. Nos patrons nous prennent en charge en cas d'accident. Nous, les chefs d'équipe, on suit l'accidenté, on informe les patrons, ils viennent immédiatement, ils l'amènent à l'hôpital. Si la personne n'est pas gravement blessée, on lui fait des petits soins et on revient. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a jamais eu un blessé grave. C'est juste des petites blessures. Nouridine Isaka, directeur technique adjoint à Balaribe Assainissement, apprécie les efforts de sa collaboratrice, Madame Safi Sidikou. Safi a commencé à travailler avec nous en 2017. Si tu aimes ton travail et que le patron voit comment tu le fais, il n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Du moment où il a déjà quelqu'un de compétent. C'est ainsi que nous nous sommes dit, si nous la prenons en tant que superviseur, elle va nous apporter beaucoup d'avantages dans notre, dans notre activité. Et c'est ce qui fut fait. C'est une personne qui vient régulièrement faire son travail comme ça se doit. Et même si ce n'est pas à son heure de travail, si en passant elle voit des ordures la route, elle les évacue elle-même. Vraiment, nous n'avons pas de problème avec cette femme. Et jusqu'à présent, elle continue à bien faire son travail. Il n'y a pas de sous-métier. Selon Mme Issaou Safisidikou, chacun doit travailler pour subvenir à ses besoins. C'était là le portrait du jour, chers auditeurs. Maintenant, bouclons ensemble notre playlist musicale d'aujourd'hui avec ce titre Talou de l'artiste Yakbi et Nana Iwanya. badi kyautare ya not da Husaini ke talfe ne masu kimari masu ci mai kyau da buyan my Et oui, chers auditeurs, Talouale Wale est le titre que vous êtes en train d'écouter de Yakbi et Nana Ayubanya. Retenez tout simplement que le groupe Yana fait de la musique traditionnelle du Niger. Ils se sont euh, connus au studio Magic Sound au moment où Yakbi sortait sa chanson Talouale Wale et propose la chanson à Yakoub à voilà, Ayubanya autant pour moi. Et le succès des deux titres fit qu'ils finirent par enregistrer un album ensemble qui est sorti officiellement en mars 2011 et ce fit une grande réussite. C'est nous depuis lors, Yakbi et Nana cheminent ensemble avec la création du groupe Yana qui signifie toile d'araignée en Hausa, multipliant les concerts. I rax ay see ma to kurmi rasi agu

Voilà, à l'instant, c'était le titre Talou Wale Wale. Chers auditeurs, l'utilisation en bonne essence des biens publics, c'est cela euh, qu'il s'agit dans notre rubrique Loti d'aujourd'hui. Rafika Atayer et Rabi Mekano nous en disent plus. On écoute. affairage, affairage, affairage. affairage. la journée est finie, il est temps de rentrer à la maison. Où est mon sac même ah, enfin à la maison. Bonsoir grande sœur, tu es seule je n'ai rien éteint dans mon bureau, j'avais complètement oublié. Mais bon, ce n'est pas grave, le vigile le fera avant de fermer. Ah, je vais me rafraîchir un peu. Tu vas où Reviens. Je vais me laver. Tu as besoin de moi ou de quelque chose <laughs> Tu m'étonnes vraiment. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait encore Tu rentres chez toi, dans ton bureau, tu n'as rien éteint. Où as-tu la tête Tu penses que c'est normal Même si j'ai oublié les vigiles les éteindront à ma place. <laughs> Tu vois ce genre de comportement Pourquoi attendre qu'on le fasse à ta place C'est le vigile qui les a utilisés Eh, lâche-moi un peu. Ce n'est pas de ma faute si tu es de mauvaise humeur. Hum, tu sais, si ces appareils se gâtent, c'est toi qui vas travailler dans des conditions lamentables. C'est utile pour toi, tu en profites et en bénéficies, parce que ça t'aide dans ton travail. Ton employeur ne les a pas ramassés, il a financé pour te mettre à l'aise. Est-ce que tu vas contribuer pour payer la facture d'électricité ou bien pour payer l'ordinateur Non, à ce que je sache. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu en parles souvent à la maison. Change ton comportement, c'est mieux, ma chère. Tu as certainement raison, mais c'est un oubli. Je ne l'ai pas fait exprès. Hum. Une ou deux fois, ça peut se comprendre. Mais à répétition, tu le fais exprès, espèce de paresseuse. Hum. Oui, paresseuse. Ces biens peuvent servir au bien-être de chacun sur ton lieu de travail. À ce titre, tu dois t'investir à avoir un comportement positif vis à -vis de ces matériels et participer aux actions d'entretien et d'amélioration de ceux-ci. Hey, je t'ai dit que c'est juste un oubli. Et pour l'entretien, les techniciens sont là pour se faire le travail, non <laughs> On te parle, tu refuses de comprendre. Arrête d'être têtu comme ça. D'accord, je t'écoute. Les biens publics font partie intégrante de notre vie au quotidien, surtout dans les bureaux, les espaces publics, une collectivité locale, un établissement public, etc. Dans ton cas, ce sont des biens privés, ils appartiennent à une société privée, donc tu dois faire encore plus attention tu peux avoir un avertissement pour négligence envers les équipements de ton bureau. Hein. Toi, ça peut aller jusque-là. C'est exagéré quand même. Juste parce que j'ai oublié d'éteindre un ordi et puis un climatiseur, on va me sanctionner. C'est trop, Wallah. Aïma, c'est trop. Hum. Continue comme ça. Tu viendras me trouver ici pour me dire que j'avais raison. Blague à part, ne recommence plus. Fais un effort pour éteindre dorénavant. D'accord, Surette. Je sais que c'est pour mon bien et pour la bonne marche de la société que tu me dis tout ça. Je te remercie quand même pour tes conseils. Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et, ça sera avec Jackie Dalton. Oui, aujourd'hui avec euh, Jackie Dalton, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle, nous allons découvrir euh, ce que veut dire I'm from en anglais et en français. Hello, bonjour. I hope you're well. J'espère que vous allez bien. D'habitude, je vous envoie la rubrique anglaise depuis l'Europe, depuis chez moi, mais actuellement je suis en voyage et pas très loin de chez vous au Niger. Je suis en train de visiter une des sœurs de Studio Kalangu. Je suis à Studio Tamani à Bamako. I'm at Studio Tamani in Bamako. Donc Studio Kalangu et Studio Tamani sont sœurs car elles sont de la même famille de la Fondation Hirondelle. Et je suis avec le rédacteur en chef de Studio Tamani qui diffuse en cinq langues pour le public malien. Hello Mohamedou. Hello Jackie. Et Mohamedou apprend l'anglais. Donc je me suis dit, il faut l'inviter dans cette rubrique pour partager ses connaissances. Bienvenue Mohamedou. Welcome Mohamedou. Thank you Jackie. Thank you. Ça veut dire merci. Thank you. Mohamedou, why are you learning English? Pourquoi tu apprends l'anglais J'apprends l'anglais pour euh, m'améliorer à parler cette langue parce qu'elle est très très importante dans le milieu professionnel aujourd'hui pour pouvoir échanger, mais également même dans la carrière, l'évolution de la carrière, l'anglais est très très important. Donc c'est vrai que les langues, ça ouvre beaucoup de portes et d'autres opportunités. Alors je vais te tester, je vais te poser une question et on va voir si tu comprends la question. La question c'est Where are you from Qu'est-ce que ça veut dire Where are you from Tu viens d'où D'où viens-tu C'est cela. Exactement. Where are you from D'où viens-tu Mohamedou, Where are you from? I'm from euh, Mali, but also in Senegal because euh, I birth in Senegal. Is it correct? Yes. So you said I'm from Mali. Hmm. Je suis du Mali. Hmm. I'm also from Senegal. Hmm je suis aussi du Sénégal. Donc on peut dire I'm from et ensuite le pays. Hmm. I'm from Niger, I'm from Burkina Faso, I'm from Niamey, I'm from Difa, I'm from Agadez. Hmm. Mohamedou, maintenant à toi de me poser cette même question. Jackie, where do you from? Ah, petite faute là. Where are you from? Eh, c'est bien. Donc c'est pas where do you from, c'est where are you from? Hmm. Très bien. Alors, je suis un peu comme toi, en fait. Je suis de deux pays. I'm from two countries, deux pays. J'ai deux passeports et j'ai vécu dans les deux. Donc, I'm from Switzerland, la Suisse, and I'm from England, l'Angleterre. So, Mohamedou is from Senegal and Mali. Mm-hmm. I'm from Switzerland and England. So together we are from four countries. Hmm. On est de quatre pays les deux ensemble. Hmm. I'm from. That was today's English phrase. Where are you from? Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien la signification de I'm from euh, en anglais et en français par Jackie Dalton. Poursuivons, il nous reste encore quelques minutes à passer dans ce studio et cette fois-ci, nous allons écouter de la musique, chers auditeurs. Je vous laisse kiffer l'artiste Abel Zamani avec ce titre Didi. On écoute. Yeah, yeah, yeah, yeah. mako. It's mapko. Inson It's Inson samune. chers auditeurs, j'espère que vous avez bien kiffé. Merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns haɗin kan 'yan ƙasa domin abu ne wanda yana wayi ma 'yan ƙasa kai kuma yana ka haɗin kan 'yan ƙasa da kuma dankon zumunci cikin ƙasa haka da kuma kwarci hankali insha Allah yana ka kwanciyar hankali yan ƙasa da ƙara haɗin kai yan ƙasa yan Allah su yarda wannan shiri yana ba da gudunmawa sosai cikin wannan ƙasa ta musamman wannan lokaci da yanayin da ƙasar mu take ciki wannan shiri yana ka gudunmawa sosai na haɗin kan yan ƙasa da kuma kwanciyar hankali yan ƙasa sosai yana ba da gudunmawa sosai cikin wannan ƙasa ta Nijar gaskiya suna da ƙayatarwa domin Allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tunda gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci labarin nan na studio kanangu wallahi suna ƙayatar da mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har idan nan ta mu ta samu nan ƙarin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai ne kuni kuma fatan da nake musu ubangiji Allah ƙara musu hazaka ƙara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rijiyoyi ma dake can ƙauye su ƙara kai mu can wa'anda sun nesa gabas yamma ko ina su zamana daidai muna sauraron labarurka wanda muka sani da wanda bamu sani ba su ƙara dai karfin gwiwa akan aikin da suke yi wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai hakan dai so nake su dan ƙara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na namarici ya kamata a ce aikan shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke buɗewa. bangaren wurin yare na hausan nan shi muke so kaman a dan ƙara yawan shi saboda ba dukkan yaren da kuke samu muke ji ba eh, shi ne shawaran da muke bada a kai eh, Allah wani ya saka alheri ubangiji Allah ya ƙara ingancin aikin naku. eh dangane da shirye-shirye na kalangu eh, to walla gaskiya muna jin daɗin shi sosai sirtu ma yanda sensibilizan mutane suna shiga ƙauyuka suna tattambayin mutane Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Ali Ousseini Di Seno. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Excellente journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao.